de mission bi ko di euh, collaborateur ministre premier ministre ma dal tout de suite c'est très beau c'est très joli c'est engagé mais monsieur le premier ministre le Sénégal a besoin de relever son panier ménagère naan tëdd nelaw feebar faju loolu la Sénégal soxla Sénégal mi ngi soxla bu ñuy def équité territoriale ñu seet dëkk yi nga xamante ne ku ci nekk la nga yeyoo nga jox ko ko te ñu bañ a def par parloo Sénégal mi ngi soxla ay ndawam ñu bañ koo bind rek ci këyit ni war nañoo liggéey mais ñu liggéey té buñuy liggéey ñu baña def par parlo baña def recrutement politique di recruter ci ndaw yi ko soxla monsieur le premier ministre Sénégal mi ngi soxla ku wax les grèves répétées des agents municipaux des agents hospitaliers monsieur le premier ministre Sénégal mi ngi soxla kaddu ci walum ray bi nga xamantene mo am ci biir réew mi Sénégal volontaire la monsieur le premier ministre Sénégal ci la réalisation yi par force ici à votre insu on a voté beaucoup de budget 4 000 milliards 3 000 milliards 6 000 milliards on en a voté on a fait ans dans cette assemblée Khalis Bobo, li mu servir ci lañ koy les autoponts BRT ce que vous voulez mais c'est ça les réalisations et c'est nous qui l'avons voté ici dans cette auguste assemblée monsieur le premier ministre nous allons accompagner vos réalisations. sous fait ce document-là est destiné aux Sénégalais et seulement aux Sénégalais. Monsieur le Premier ministre jàpp équité li en fin des travaux d'assainissement des eaux usées Péamir, contribueront à améliorer le cadre de vie des populations de Gandjaï, Nyoro Durup, guin Kungel Koungheul Malem il en est de même à Pikin Est Rufus Cambren, ainsi de suite. Pékin Est, c'est derrière Guinao Nord. Et c'est lieu où habite le ministre Issa Diop, qui en est le même ministre chargé de ce programme. Serait-il possible de faire équité en cette situation Nous réclamons, nous aussi, Guinao de ce projet. Mais on le réclame aussi pour Niatimbar étant des représentants du département de Pékin, on le représente pour beaucoup de zones de Pékin qui sont toujours inondées. Djel Progué, d'Afkoti Sabir commune. Parce que la parole est à notre collègue Ndaï Lucie Sissé. Fantasal se prépare.